auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être au rendez-vous du midi, le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés, Fanta Chamsou pour la présentation. Bonjour Fanta. Bonjour Salamot, comment tu vas Je vais super bien. Super, alors faisons un coucou aussi à ceux qui assurent de l'autre côté, dès la vitre à la technique. C'est Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Alors, euh, qu'avons-nous pour nos fidèles auditeurs ce matin Aujourd'hui, Fanta, nous avons sélectionné une variété de sujets pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices au programme de la musique pour remporter, pour emporter tous ceux qui sont à l'écoute du loté avec les femmes du studio Kalangou, la page sport et bien sûr le flash d'information. Et ce matin, notre invité, M. Kevin Akama, journaliste reporter d'images et promoteur d'une agence de communication, d'événementiel et de prestations de services Color Agency. Il va nous parler euh, des Gasser Hadoua, également connu sous le nom de tournoi de l'intégration de Maracana. Et comme d'habitude, chers auditeurs, nous allons ouvrir cette édition avec le flash d'informations présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Fanta Chamsou, bonjour Salamatou Bonjour Mokhtar. Le flash d'information à présent que nous débutons avec euh, cette information. L'armée allemande va cesser d'exploiter sa base logistique au Niger d'ici le 31 août, date d'expiration de l'accord de défense entre les deux pays, rapporte le site d'information Actu Niger. Les négociations avec les autorités nigériennes pour la prolongation ou un nouvel accord n'ont pas abouti. Alors, la force de défense fédérale allemande prévoit un retrait ordonné de ses 40 soldats déployés au Niger. Ce mardi 9 juillet, c'est la journée internationale de la destruction des armes légères lancée par les Nations Unies en 2001. À cette occasion, des victimes de la violence par les armes ont procédé à la destruction d'armes aux quatre coins de la planète. Durant la campagne Contrôler les armes, Oxfam, Amnesty International et le réseau d'action internationale sur les armes légères ont rendu public des statistiques révélant qu'il y avait une arme pour 10 habitants dans le monde. En moyenne, 800 000 sont détruites chaque année. Cependant, les armes non réglementées restent un problème majeur. Pour chaque arme détruite, d'y y sont produites. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a désigné ce week-end le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye comme facilitateur pour discuter avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le président sénégalais a affirmé hier lundi la nécessité de l'apaisement et du dialogue avec les trois États sahéliens qui ont annoncé la création d'une confédération. Les dirigeants de la CDAO ont constaté le manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois États qui ont annoncé en janvier quitter l'organisation. Les dirigeants de l'AES accusent la CDAO d'être manipulée par l'Occident. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 9 juillet 2024. Merci Mokhtar pour toutes ces informations, chers auditeurs. Notre invité du jour est M. Kevin Akama, journaliste reporter d'images et promoteur d'une agence de communication, d'éventuels et de prestation de services color agency. Ils vont nous parler de Gassar Hadoua, également connu sous le nom de tournoi de l'intégration de Maracana. Bonjour, Bonjour, Kevin. <laughs> Ah, je suis d'abord euh, honoré d'être euh, hein, euh, reçu et salué en même temps par deux dames à la fois. Merci. <laughs> Euh, bonjour, salam oui, bonjour. Fanta, bonjour aussi à Mokhtar et aussi celles qui sont derrière la baie vitrée, celles qui nous accompagnent. Je leur dis également bonjour. Merci, beaucoup, monsieur Kevin. Bienvenue à vous. Euh, nous allons vous laisser bien vous installer et offrir à nos auditeurs la première musique de notre playlist du jour, une musique de l'artiste Shoba qui nous chante ici Zoutia. Siske k production. Hey, hey. Mega Vas-y doucement, on a tout le temps. Accroche-toi mon bébé, me repousse pas. Je bats dans la zone et t'es ma corazon. Ensemble on va tout péter comme une bombe. Mbaki qui me a, c'est you love me. Kumi kumi za su gayi Kumi za su yi baby ina kike baki nan zuciya kuka take da Allah yi karya suke ba su so ne su ga mu tsallake cikin zuci na ki shigo ina kike cikin zuci na ki shigo na ce ina kike cikin zuci na ki shigo ki she go king, she go chicken zuchi na king, she go king, she go king, she go chicken zuchi na king, she go zuchi na king, she go chicken zuchi na king, she go zuchi na king, she go. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side, feeling good, feeling right. Every day, every day, every night, every night. When I see you by my side. Chers auditeurs, Zuchia qui signifie cœur est le titre que vous êtes en train de kiffer actuellement de l'artiste Shoba de son vrai nom Bachir Mati Issoufou. L'artiste Shoba 2027 est né le 13 janvier 1987 à Namaro au Niger. 1997 Salamon. Ah ok, merci Fanta. Mais c'est en 2018 <laughs> que Shoba 227 se lance officiellement dans la musique au sein du groupe éphémère Tic Tac Forever. Et en 2019, il se lance en solo à Abuja au Nigeria, ce qui lui a permis de se faire connaître véritablement dans le milieu de la musique. she go Gucci knocking, she go Take a Gucci she go Gucci knocking, she go Every day, every day, every night, every night When I see you by my side, feeling good, feeling right Every day, every day, every night, every night When I see you by my side, feeling good, feeling right back in, I'm coming, I'm It give me, I say you love me Hey, come me, come me, baby. In a given, back in on such a cook at We pass a soul, so that I'm not chers auditeurs, retour au studio après cette pause musicale et comme vous l'aviez entendu, nous sommes avec M. Kevin Akama, JRI, et aussi euh, qui va nous parler cette fois-ci du tournoi qu'il organise, le Gasser Hatwa, également connu sous le nom de tournoi de l'intégration de Maracana. Alors, Monsieur Kevin, parlez-nous euh, de cet événement. Alors, euh, d'abord, je dirais que, bon, faut nous appeler, entre nous, on est des confrères. Donc, euh, Kevin, monsieur, c'est trop, <laughs> euh, c'est trop administratif et c'est trop... Kevin, alors. Voilà. Alors, Gassa c'est une compétition, un tournoi de, de l'intégration, mais pas football, basketball, mais Maracana, puisque Maracana, c'est un sport, c'est une discipline qui est maintenant en vogue au Niger. Mm. On aurait pu penser à Padel, mais qui connaît Padel au Niger. Donc, du coup, on a passé à Maracana. Et c'est un tournoi qui va rassembler les communautés euh, étrangères résidentes à Niamey. On avait pensé à un Niger, mais pour une première édition, on avait, euh, on avait voulu circoncire le programme là, le tournoi là. Niamey et ses environs. Donc c'est un tournoi qui va rassembler, comme je l'ai dit, toutes euh, les communautés résidentes à Niamey au Niger et celles qui ont à cœur de défendre euh, ces valeurs de l'intégration au, Niger. Mhm. Et Kevin, quel est le but de l'organisation de ce tournoi Alors le but est de rassembler dans un espace convivial toutes les communautés étrangères ici afin de défendre, d'abord sensibiliser euh, toutes ces communautés-là sur la sensibilisation, enfin sur l'intégration, euh, le parler de la cohésion sociale, sensibiliser sur la cohésion sociale, le vivre ensemble, l'appel à la tolérance, la solidarité. Et donc, nous avons jugé bon que ce creuser le Maracana est un bon créneau euh, pour faire passer ce message-là. Mhm. Et vous parlez euh, de plusieurs communautés. Quelles sont ces communautés-là alors, au Niger, nous avons fait une petite enquête enfin, à Niamey, hein, on avait fait une petite enquête, on a compté plus d'une trentaine de communautés. Vraiment, on ne sait pas parce que il y a des communautés auxquelles même on n'a jamais pensé, mais on les retrouve au Niger. Parce que quand vous parlez de communautés, est-ce qu'il n'y a que le Niger ou bien il y a d'autres pays qui vont y participer aussi Alors, on est au Niger, c'est le Niger qui accueille. Mhm. Donc on peut pas, c'est comme si vous, vous m'invitez dans votre maison et je viens manger sans que je ne vous appelle au plat. Donc, euh, c'est pas, euh, c'est pas africain, mhm. c'est pas nigérien. Donc, du coup, on veut faire ça en complicité avec les, communautés nigériennes ou bien avec le Niger. Donc, du coup, pour ce programme-là, ce tournoi, on aura besoin de, des équipes ou bien de la communauté nigérienne qui mhm. vont accompagner aussi cette, euh, cet événement. Mais on voudrait aussi bien savoir les autres pays qui, vont, Alors, nous, on a lancé l'appel alors, ceux et celles qui vont répondre, c'est ceux et celles là qui vont participer au tournoi. Et donc, pour une première édition, alors je vous parle, actuellement, on a une dizaine de pays qui se sont manifestés. Mm-hmm. On a les îles Comores. Je n'ai pas une, euh, liste. Non, c'est pas une question de liste, mais je n'ai jamais pensé qu'on peut retrouver les, îles Comores ici à Comoriens. Les Comoriens, je les ai vus. Mhm. Ils m'ont appelé. vraiment, j'étais sidéré. Il y a le Malgache aussi, la RDC qui a manifesté son intention de participer à la compétition, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad, le Burkina, le Sénégal, le Mali. Donc, euh, je, dis que <laughs> d'abord, euh, il y a vraiment cette Afrique-là qui est réunie. Maintenant, on est en train de tendre maintenant le, réseau euh, pour euh, accueillir aussi d'autres euh, pays, la Turquie, le Liban, les pays du Maghreb, hein, le l'instar du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte. Mm. Voilà, nous, on a ouvert, on n'a pas de... On n'a pas de ligne restrictive. On n'a pas de limite alors. Non, non, non tout ce qui est étranger <laughs> réside à Niamey, et peut participer. Ok, d'accord. L'événement là, ça se déroule où et quand ça se déroule euh, du, premier, euh, enfin, du 4 août la cérémonie d'ouverture avec, euh, comme on le fait à la Cannes, hein, mhm. la cérémonie d'ouverture avec les matchs d'ouverture, les discours classiques, voilà. Et après, la finale aura lieu le 1er septembre. Où ça se déroule Ça se déroule à l'Académie des Arts. Mhm. Donc c'est vrai que nous sommes encore en, discussion euh, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont retenues à l'Académie des Arts, mais nous allons hein, essayer de discuter pour qu'on nous trouve euh, une petite tranche, puisque le Maracana, ça ne dure pas euh, le foot, c'est moins d'une heure. Donc, pour faire un match de Maracana, c'est moins d'une heure. 30 minutes, on a déjà fait le Maracana. Donc, du mhm. coup, on va trouver une place pour nous au niveau de l'Académie des Arts. Sinon, c'est à l'Académie des Arts, ça va se passer. Mhm. Ok, d'accord, euh, chers auditeurs, avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler en musique avec Yerda de Barakina.

son vrai nom, Moubarak Issoufou Umoru, connu sous le nom de Barakina, un talentueux artiste nigérien, révélation musicale de l'année 2017. Et à travers sa maîtrise en parfait du rap, de l'afro-trap, du trap hausa, de l'afrobeat, il est l'un des artistes urbains les plus célèbres du Niger. Il crée son propre label de production indépendant, Muzikira Record, en raison du manque des promoteurs au Niger, puis devient le premier artiste civil avant d'ouvrir les portes de son studio à

They are mu they are mu We mu the da kowa ba ko kaɗan ba mu yarda da kowa ba ko kaɗan ba mu yarda da kowa ba ko kaɗan ba mu yarda da kowa ba ko kaɗan la leçon hier là de Barakina, chers auditeurs, poursuivons l'émission avec notre invité du jour, Kevin. Alors Kevin, moi j'aimerais savoir, ou bien pouvez-vous nous expliquer d'abord sur quoi Maracana Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, eux, ils ne font pas la différence entre Maracana et le football mais il y a, une différence. Alors, euh, je ne veux pas faire l'étymologie de Maracana, mais il faut dire que Maracana, d'abord, c'est le, stade, le, le nom d'un stade au Brésil euh, qui porte ce nom. Euh, il faut dire que la discipline marocaine en Côte d'Ivoire pendant la période de crise, pas celle de 2000 ans, pas celle de 2010 ou bien, mais avant, avec l'avènement de, comment dire, de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'avec euh, cet avènement, il y a eu des crises, donc euh, il n'y avait plus de, jeunes dans le quartier pour jouer au foot traditionnel. Donc, du coup, ils se retrouvaient au lieu de 11, ils se retrouvaient à 8 ou bien à 7. Donc, du coup, voilà, on va développer un une discipline, enfin un jeu comme ça. Et donc du coup, ça a pris, on a commencé par, c'est un peu l'équivalent de petits poteaux qu'on retrouve ici. On dit petit camp, oui, petit, camp, mais <laughs> sauf, Que, oui, sauf que euh, ça se joue par sur le gazon. Mais ça se joue sur un, terrain de handball ou bien sur le paquet de basketball qu'on réduit mhm. avec les, cages et puis ça se joue. Et donc euh, ça ressemble un peu au foot mais les règles sont différentes. Mais c'est pratiquement euh, le, comme le foot, hein, mhm. il puisqu'il faut des chaussettes, il faut des shirts, il faut des t-shirts et des, bas, des, bas chaussettes, des, des, comment dire, des godasses. Euh, sauf que ces godasses-là, c'est des tout-terrain. Donc euh, voilà. Mais le foot et le maracana, c'est pas la même chose. Et le timing Et le timing aussi. Et le timing aussi. C'est vrai que pour le foot classique, ça fait 45 minutes fois 2 ça fait 90, mais pour le Maracana, c'est 10. Mm-hmm. Mais pour cette... Euh, euh, pour ce tournoi, pour cette mm-hmm. affaire-là, mm-hmm. nous, on va extrapoler un peu, on va aller jusqu'à 20 puisque nous, nous ne sommes pas dans une compétition euh, très carrée, nous, nous sommes plus pour l'intégration que pour la compétition. Et parlons toujours de cette compétition, comment va-t-elle se dérouler Alors, elle va se dérouler de, façon classique. Hein. Si nous avons, à ce moment, nous comptons partir sur des, balles, euh, sur des bases de poules. On va former euh, deux poules de quatre et donc euh, il y aura des, matchs qui vont se jouer en poule et il y aura les demi, les quarts de finale, ensuite les demi, les demi, troisième place, troisième place finale. Donc en tout, il y aura 16 matchs qui vont se dérouler mhm. pendant cette compétition de Maracana. Et vous êtes maintenant à quel niveau au niveau de l'organisation Alors au niveau de l'organisation, j'allais dire que nous sommes au niveau échafaud. Donc on n'a déjà pas posé les bases, on a déjà planter les <laughs> poteaux. Donc, il faut dire que euh, on, va bien, on va bien dans l'organisation. Euh, maintenant, euh, appel maintenant aux, équipes, ceux-là qui ont fait manifester leur désir de participer à cette fête, à cette aventure, de se manifester, de, joindre les, les, numéros que nous avons laissés sur les flèches, sur les, affiches un peu partout en ville, mhm. de les contacter et là, on les enrichit et, et puis va se dérouler les réunions techniques et puis le 4 août, coup d'envoi pour la première édition de Gassar Haloua. Voilà. Merci beaucoup, monsieur <laughs> Kevin. Merci beaucoup. plutôt Kevin d'avoir répondu à notre invitation. <laughs> C'est moi qui vous remercie. On va vous laisser. Euh, voilà, chers auditeurs, euh, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission, le Niger sur Kalangou, et on va parler santé Fanta. Oui, ça, on va parler de la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, dont 300 000 enfants selon l'OMS. Pour ce qui est du Niger, ce sont 9380 drépanocytaires qui ont été pris en charge par le Centre national de référence de drépanocytose depuis sa création en janvier 2010. Notre reporter Rabia Maïkano s'est intéressé au sujet. Voici son reportage. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui affecte les globules rouges responsables du transport de l'oxygène dans le sang. Il passe ainsi d'une durée de vie normale de 120 jours à 20 voire 10 jours chez le drépanocytaire. Chez l'enfant atteint de cette pathologie, les signes se manifestent dès les premiers mois de naissance. Dr Baidari Ali, médecin-chef du Centre national de référence de la drépanocytose. À partir du sixième mois, les premiers signes qui vont apparaître, c'est ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Ce sont le gonflement du dos, du pied et des mains ou même des doigts. Et certaines fois, ça peut même continuer à aller un peu plus fort et donner une ostéomyélite, c'est-à-dire l'infection de l'os même qui est en dessous de la peau. En dehors du syndrome pied c'est l'anémie sévère. Chaque année, ce sont 500 nouveaux cas qui sont enregistrés au niveau de l'unique centre national de référence de la drépanocytose du Niger. Du fait de la complexité de la prise en charge de cette maladie, les responsables du centre déplorent l'insuffisance du personnel soignant et du matériel. Professeur Bademala Abdou, président du conseil d'administration du centre. C'est une maladie générale qui touche tous les organes. On a besoin de traumatologues, on a besoin de psychologues, on a besoin de chirurgiens viscérales, on a besoin d'ophtalmologues, on a besoin d'ORL, on a besoin de toutes les spécialités. Il nous manque des produits. Et le dépenseur consomme beaucoup de produits. Une petite hospitalisation, elle va à 100 à 200 000 francs et plus. Quand c'est une hospitalisation compliquée, elle peut aller à 500 000, à même 1 million. Dans les locaux du centre, on retrouve quasiment autant de malades que de parents aux côtés de leurs enfants pour les soins. Ils sont l'autre couche la plus affectée par la prise en charge angoissante et coûteuse de cette maladie. Madame Hama Fadimatou, présidente de l'association de lutte contre la drépanocytose au Niger et mère de trois drépanocytaires. Euh, vivre avec euh, des enfants drépanocytaires, c'est tout un calvaire. C'est une maladie qui n'est pas facile à gérer. C'est une maladie qui coûte cher. Quand les enfants tombent malades, parfois ils cachent même leur maladie. Ils ne disent rien. Il faut que ça arrive à un niveau top où ils ne peuvent plus casser la maladie pour que le parent se rende compte pour pouvoir les transporter. Selon le médecin-chef du centre, la seule prévention face à cette maladie héréditaire reste le dépistage avant le mariage. Si cette personne qui pense qu'ils sont ça doivent alors faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir si réellement ils ne sont pas AS. S'ils ne sont pas AS, alors il n'y a aucun problème. Ils peuvent se marier avec n'importe. qui Mais sachez que la personne qui est AS avant de se marier, à futur ou le futur marié doit lui aussi faire l'électrophorèse pour savoir son statut. Les accidents cardiovasculaires, la perte de la vue, l'insuffisance rénale et cardiaque sont entre autres les complications que le service médical redoute pour les malades pris en charge au centre. Un reportage assez touchant sur la drépanocytose réalisé par Rabia Mekano. Chers auditeurs, après la rubrique hebdomadaire santé de notre émission, nous allons à présent écouter Ganduyo, un son de l'artiste Toubal Dessous. cikin jiyo zara mai kayi tare fai mara. Cikin jiyo ngadiyan sako kabiri na baraka. chers auditeurs, euh, qui veut dire tout simplement la girafe, et c'est le titre de ce magnifique morceau que vous êtes en train de kiffer de Toubal de Dosso. Une chanson qui décrit la beauté des girafes qu'on retrouve généralement dans cette région, plus précisément dans la commune rurale de Kouré, mais aussi dans la réserve de Gadebéji, de la région de Maradji. Et justement, Salam tout dans cette chanson, l'artiste Feu Dernier, qui est le chef de cet orchestre Toubal de Dosso, invite les Nigériens à prendre jalousement soin de cette fonte sauvage riche et diversifiée du Niger.

la Neighbor.

Chers auditeurs, c'était Genguyo de l'orchestre Toubal de Dosso. Pour l'écho des régions, on reste à Niamey. Dans la société nigérienne, le port du bonnet appelé Fula à langue zarma est considéré comme un signe d'honneur et de responsabilité. Celui qui le porte inspire également le respect. Par contre, pour les jeunes, c'est plutôt un accessoire porté pour parfaire la beauté de leur habillement. Notre reporter Moutari Mamadou s'est intéressé à ce sujet suivant son reportage. Saka hula al'ada ce da ta daɗe musamman ga waɗansu al'ummomi a Afirka ya zama tamkar cikar kamalar mutum ne da mafi galibi manya suke saka hula a waɗansu wurare. Sai dai idan aka ɗauki misali birnin Yamai ba ka sabai kake gani matashi ya saka hula ba, amma yanzu matasan sun fara rungumar wannan al'ada wasu kuma don cikar kwalliya ne suke saka hula. bayi wani matashi ne a nan Yamai ya tabbatar da matsayin darajar hula a gunsa. Hula tana da matukar mahimmanci sosai a gare ni da kuma sauran 'yan uwa matasa. Saboda hakan ne ma yasa kaga yanzu matasa suna yawan sa hula. A da matasa ba su damu da sawar hula ba. Ɗaya daga cikin mahimmancin hula shine kariyar rana kuma tana kara ma mutum daraja. To duk wankan da na da hulan da nake sa masa. da na dora kam sai ta yi daidai ka idan na hutu ba hula ai ba daɗi na sa hula sai in ji lafiya lau huluna sun bambanta kuma kowace da kalar farashinta a cewar lawali mai sana'ar sayar da hula a nan ya yamai hulunan kala kala ne akwai tangaram ita ce babban hula akwai kinde sannan akwai yan maiduguri ita ma kube tana daga cikin nau'i na huluna akwai jaddara ita ce wannan jar hula to a ta hula kuma wadda muke kira minista to sai wannan hula da ta shigo ta zamanin nan wata hula da kake ganin yanzu yara suna sa matasa mai adan na mai kyalli to ita muna ce mata raba gardama inda hula zaka sa tun daga dala ɗari abinda har ya kai ta shika hamsin kana samu musamman shi mai sa hula in ta kwarai ko noma yana iya sani musa abdu wani dattijo mai sana'ar wankin hula ya ce kowane zamani da irin ƙalubalensa amma duka da haka a cikin sana'ar wankin hula yake samun abin biyan bukatunsa na rayuwa. Ana dan samun bakin kokari alfa kai asiri. A wanke a goge ya yi walƙiya da hejika ake amma yanzu mun sabki wata ma dala ɗari ake karɓa a kansa. Fula wannan in ba refa sai haka zaka sa mata goma ka buga ka karɓi dala arba'in a gare ta. Yanzu janob sun fara dawowa suna ganin fula tana da mutunci. Ka san wannan ɗan refa sai ɗin da ake mata tana yar walƙiya suna kawowa wani gamin sai kamar sallah ta Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sariu Adam Yerima. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Salamata. Bonjour Adam. Eh, Adam, quelles sont les nouvelles sportives Eh bien, nous allons revenir sur les mots du président de la Fédération nigérienne du football, le colonel-major Jibrila Hima Hamidou Dipele, qui s'est dit satisfait du niveau de jeu du football dans les différentes compétitions nationales. PLC également prononcé sur le tirage au sort de l'équipe nationale de football Le MENA pour les éliminatoires de la Cannes 2025 au Maroc. On l'écoute. Aujourd'hui, quand on regarde les pilotes de la Coupe nationale et du championnat national même, on peut dire qu'il y a un nivellement qui se fait depuis un certain nombre d'années au niveau des clubs, de l'élite. On ne peut que saluer ça parce que ça arrange la montée du niveau du football nigérien. Donc je ne peux que saluer et puis encourager les gens à continuer à pratiquer le football et surtout encourager le public à venir massivement. On a tiré une poule et comme je l'ai dit, le football africain, tout le monde se bat aujourd'hui pour être à la hauteur de notre poule. On a le Ghana, l'Angola et le Soudan. C'est des pays qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça vaut ce que ça vaut, mais il faut qu'on se batte pour sortir de cette poule-là comme on l'a fait la première année où on s'est qualifié. On était à face des ténors du moins africains, mais on a pu sortir quand même notre jeton du, du jeu. Donc c'est à nous de se battre. C'est à nous de croire, c'est à nous d'encourager notre équipe nationale. On espère que d'ici là, quelque chose sera fait en collaboration avec le ministère des Sports, notamment pour le stade général Voilà, et les vacances sont aussi débuté pour certains élèves au Niger et c'est le moment où les jeunes se lancent dans l'organisation des tournois des grandes vacances communément appelées TGV. En effet, nous partons à Zender, euh, où des jeunes de la région, plus précisément à Myria, ont lancé hier euh, la quatrième édition du tournoi des grandes vacances euh, du, département de Myria. une vingtaine d'équipes vont se rencontrer durant quatre semaines sur le terrain de football de la ville. L'objectif visé à travers l'organisation de cet événement sportif est de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes. Suivant Ici Kaka, parrain du tournoi, au micro de notre correspondant de la région de Zender, Ali Keta. a baya ana dan hada da rikice-rikice a murya eh, saboda rashin sanin regulaman da wani wani ne to sai muka ka dokoki hallo masu tsanani saboda akwai firi da muke bada wanda zai je masa hankali kamar firi wajen ya kai kusan firi goma na farko akwai cup na farko wanda ake ba champion akwai cup na biyu wanda shine mai mahimmanci ma na fair play kamar ekip din ta yi yawan balo ya ba karton kenan ta ci babban cup ma muka sa mata kenan su da kansa ma suke kin yin keta ma kansu saboda su samu wannan kofin akwai kofi guda na coach duk kudin da ya kowanne ladabi a gurin shi ya tsaya ma yan balan shi magana shi ma ya ci kofi guda shi ma wannan yana jan hankalin su akwai firi kuma na mayar kaftan shi ma brasar ne kala daban-daban da yawa ana bada shi ma duk kaftan in da bayya ma arbitar magana yana sawa yan balan shi yana kwantar musu da hankali shi kofi halo na mayar bitar wanda yake kowa sa bi shi ma ana bashi akwai na mayar guardian wanda yake tsare keji bai sha ruwan bidiya shi ma ana bashi Ça sera tout pour le sport, Adam Eh bien oui, chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro e sportif, le deuxième de la semaine. À demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam et bonne journée. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et c'est l'heure du portrait du jour. Salamatou, tu nous présentes qui ce madame Fanta, nous allons à la découverte de Madame Chiari Falmata, âgée de 67 ans, mère de deux enfants. Elle est titulaire d'un certificat d'attitude au professorat de l'enseignement du second degré. Falmata est une, grande, est une ardente défenseur des droits de la femme nigérienne. Hawa Ousmane nous dresse son portrait. wani gidan kyari falmata malamar tarihi ce da kuma geography a bangaren ma'aikatar sakandare da ta yi ritaya bayan ta kwashe shekaru 20 tana koyarwa haka zalika falmata kyari mai kimanin shekara 60 da haihuwa ta riƙe matsayi na inspectrice general tsawon shekaru shida a yanzu haka tana ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin fararen fulla na ƙasar niger wannan ma na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa kafofin sadarwa ke yawan hira da ita uwar gidan kyari falmata mace ce mai son ganin mata sun ci gaba dalilin da sa kenan take hutowa ko da yaushe cikin kafofin watsa labarai tana ba da bayyanai don ta ƙara ƙarfafa ma mata ƙwarin gwiwa musamman ma matan karkara abinda yake sa mu hito kun san matan ƙauye ba su da inci ko ba su da dama kuma ba a ba su mikro su yi magana to mu ne jagoransu mu ne za mu hituwa mu haɗi matsalolinmu na, na mata idan matan ƙauye su gani abin da muke yi cikin babban birni kuma su gani mu waye musu kai kamar bisa kan siyasa suna zaɓe su ma kuma su ma suna shiga takara akwai kota ɗinsu ba dan baka je lakwal ne ba a saka cikin tahil ƙasa ko shi yasa dan mata kansu ya waye dan mu hudda mata cikin matsala tun conference muka fara 91 lokacin nan lokacin nan ne siyasa ta bulkasa parti politika aka aiho su da yawa kuma ong ma 'yan horon hula suka tashi su ma suka gudi kansu demokrasi kuma ta bulkasa a cikin bayyanan da take cikin gidajen rediyoyi wani gidan kyara falmata na taɓa maudu'ai daban-daban wanda mafi yawansu sun ba da ƙarhi kan kare 'yancin matan ƙasar niger muka fara hitowa cikin media kamar su radio kalangu su tambara su banferai eh, radio communautaire suna kiranmu muna zawa mu murnan mu ce ma da suke kiranmu kamar matsalolin mu menene muna magana bisa lakwalkin 'yan mata muna magana bisa jihar da ake ce ma harkar mace da namiji da wanda ba su iya tahiya da makahi da wani ne kuma eh, muna zancen leadership kamar jagora taimu da yawa dai muna magana cikin radio don shi yasa eh, kuma shekaran shema kalangu ta ba mu wasika na murna da aikin da muka yi tare da su amma bisa kan aikinmu ma na karanta su a cikin lakololi manyan mu ko da yake ba ministar ba ne sun taba ba mu takarda suka ce wallahi aikin eh, naku da kuke yi ya yi kyau amma a ce kaman bisa kan babban gwamnati sur plan national mu ni dai ban taɓa samun wani temoignage na satisfaction ba falmata kyari na da 'ya'ya biyu suna jin daɗin yadda take kawo ma mata ƙwarin gwiwa suna fatan cewa wasu matan su rinka mara mata baya ina jin daɗin ganin ta tele kuma kullum sai tele sun zo gidanmu suna mata interview suna magana mata kullum ta ci gaba sai abun ga yin su ya da. yana da kyau eh, a zaman da muke ciki aka ce ciwon mace na mace ne mayan da take yi yana da kyau in ala samu mata kamar irin ta da za su goya mata baya su sami incinsu inda bai ketara haƙoƙin addini ba ganin yadda wasu mutane ke nuna wariya ga ɗiya mata yasa mata da dama suke ɗari-ɗari wajen bayyana ra'ayoyinsu ga kafofin sadarwa gidan kyari falmata na kira a gare su na su rinka ba da bayyanai don su kare 'yancin matan niger C'était là le portrait du jour, chers auditeurs. Bouclons ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci Auré de Ali Achibli. Allah so auditeurs, c'était le son Auré de Ali Atibili. Alors, tout de quoi parle le loti du jour Le loti, nous allons parler de l'odeur corporelle. Une odeur corporelle excessive signifie qu'une personne dégage une odeur forte et, désagréable due à la transpiration ou un manque d'hygiène comment se débarrasser de la mauvaise odeur corporelle. Élément de réponse dans ce loti du desk femme du studio Kalangu, Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Masuki-ji, Masuki-ji, Masuki-ji, Hey! masuki mai mota mai mota dala ɗin da ka taso la haula wanga wanga mota wanga mota akwai wari wai ke hawa ya kike ina zaki haka Tsayake dai yana zuwa zan neman gawayi da ɗan turaren wuta in sa cikin wannan ɗakin namu. A'a cikin wannan zahin kuma aka gama turaren wuta ba sai ɗakin ya ɗume da zahi ba. Ai ke dai saboda zahin ne ma ke dai tsaya in ƙari ina zuwa ni da ke ma ya kamata mu hira. To ba matsala sai kin dawo. Kai kai kai ɗakin sai kamshi yake gaskiya hawa mun gode. Ai ba komi to yanzu idan ba kya komi zauna mu hira ko. To ina sauraron ki. To, Hanna, kin san dai ina ƙaunar ki sosai. Kuma da fatan abin da zan faɗa ba zai miki ciwo ba, amma gaskiya ya kamata ki sake turaren ki da man shikinki. Turare ko man shikinki cikin su guda gaskiya ya kamata ki sake wani. A'a, me kike nufi? Na yi baki ne koko turaren nawa baya da kamshi ne sosai. Eh, to ba baki kika yi ba, amma abin da nake nufi shine. ne. wallahi iskan jikinki ba daɗi kuma shi ke aune mana dukkan ɗakin nan sanan ba daɗi sam la ilaha illallah mu da rasulullah sallallahu alaihi kira na zaki a tsakan ranan nan dan ki ce mini wai wari nake yi wai me kike ɗauka kanki ne kin aza ko ni ban wanka ne ya haƙuri hanna ba haka nake nihi ba kin san cikin wata azumi muke kuma cikin wata azumi wallahi wasu iska ba daɗi idan mutum na shakar su musamman ga mai azumi idan mutane na rayuwa tare dole sai ka rika tunawa da saura kin ga dai wannan biron tare muke mu biyar ko to duk kowa ya tahi in kika lura daga ni sai ke kaɗai mun kai saura ai sai ki tambayi kanki me yasa Allah sauki kina son ki ce saboda ni ne suka bar wurin wallahi ni wa ban jin shi sosai wa iskan nan ai ke baki iya jin shi da yake shikin ki ne kun ba ke kaɗai bace ba cikin irin wannan halin kowa na iya yawo da wani iska mara daɗi a cikin shi amma gyaran jiki shi ke sa ba a jin na wasu ki yanzu wani irin gyara kike ma ki? gyaran jiki kuma ni ko wani ɗiban gashin hammata wani ba ni kuma da yake azumi ne ba na sa turare sosai. To ai ko azumi ne ko an ce dai ba a sa turare sosai akwai gyaran da mutum ke iya yi domin rage wani iska da wani zuwa musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Misali sai ki samu duk kusurwa da jikinki inda gashi ke taruwa kamar hammata ki aski ki samu ɗan lemun tsami ki goggoga a ciki da shi da duk inda kike ganin zufa kan iya taruwa wajen sai kuma bicarbonate shi ma kina iya ɗan goggoga shi ga jiki sannan ki wanka wannan duka yana maganin iskan shiki. Mm. ai ni ban san da wannan duka ba ban san da wai iskan jikina yana nan ga matsa mutane ba. Gaskiya wani abu ka aiki na mu sai na nemi su gawaga. Yau dan shi ne ina cikin mota, mota haya na shigo sai na ga mutane na ta kallo na wani iri ana zuba mini harare. Tana yiwa iskan jikina ne suke ji? Tana yiwa, wallahi tana yiwa hanna. Tunda kin gani dai cikin biro da cikin motocin haya ko banki ko kuma wajaje dai inda mutane ke taruwa dole sai kin kula da halin da kike iya shi sauran mutane waɗanda kuke tare da su musamman a cikin wannan lokacin na zahi. Wallahi kina da gaskiya. Kun kona ma sa ɗan turare ba. Aikin san ba sa turaren ba. Sa turaren ƙaƙa kika sa turaren. Tunda sa turare cikin dauɗa ƙara turare ne sai mutum ya yi tsafta sannan yake sa turare ko da dan turaren ya yi ƙamshi. Allah sarki to gaskiya na gode miki da wannan kulawa don samun ma ka zo ka tunkari mutum ka gaya mishi gaskiya irin wannan ai sai da kuzari na gode fa gaskiya hawa. Lai na ce ki hakuri kin ji hanna ba dan bana kaunar ki bane sai dai dan mu gyara. Bai komi ni ce da godiya. chers auditeurs, c'était le loti du jour dans ce studio. Nous sommes aussi en compagnie de Asoma Nashina pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que signifie l'expression population en langue Hausa. Oui, bonjour Salamatou, bonjour Fanta, bonjour chers auditeurs euh, masu saran barkamu da wannan lokaci. Kamar da aka bayyana yau muna dauke ne da wato ma'anar kalma, kalma kuma ita ce population da Faransanci. sannan kuma da hausa ana ce mata al'umma kuma mun zaɓi wannan kalmar ne ta al'umma kasancewar sha ga watan juye rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin al'umma ita dai al'umma ɗaukacin mutane ne da ke da zama a wani yanki al'umma ita ce mafi mahimmanci kuma mafi girma daga cikin albarkatun kowace ƙasa wannan rana da aka ware domin al'umma na da nufin wayar da kan jama'a game da batutuwan da suka shafi al'umma musamman dangantakarsu da muhalli da kuma ci gaba dole ne gwamnati ta kasance mai gaskiya game da nawa za ta kashe don biyan bukatun kiwon lafiya na al'ummar da suka tsufa al'umma kuma tana da muhimmanci sosai ga rayuwar ƙasa girma da tsarin yawan jama'a yana tasiri ga tattalin arzikin ƙasa da kuma ikonta na samar da kariya ga zamantakewa da samun damar kiwon lafiya ilimi gidaje tsafta ruwa abinci da kuma makamashi sannan yawan al'umma ko yawan jama'a tabbas yana taimakawa wajen fara ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Merci beaucoup, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages vocaux que vous nous avez envoyés. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Suman wanda aka yi sani da chabros shabri garage buza ina mika sakon gaisuwa ta ga a studio kalangu yana jinjina muku muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke yi muna biyar ku sau da kawa allah ya dawo muku sunana alhaji mumman sani ballar yara tahir tebur ɓarrai sosai shirin yana tar da mu kuma muna jin daɗin shiri saboda studio kalangu duk wani labari na duniya a karkashin shi muke kuma gaskiya mun gode allah ya saka da alheri allah bar zumunci kuma muna jinjina musu muna ɗaga musu da muce kuma muna jin daɗin abin da suke haɗi muna na labarun duniya sannan muna son ƙari mu inda stadium kalanguna ko awa biyar sun ƙara mana muna so ina gaida garan faraki na sule salifu a tilaberi peti marshe ina gaida abokina amini na kane na abdullahi alasan a garin lafa jihar tawa da departamentin keta bayan haka kuma ina gaida ban abokina babban amini na alhaji hashim american cikin garin yamai cikin kasuwa habu bene ni ce ramatu amadu wadda aka yi sani da suna ramatu bula sha madara ina nan ja da magaran ina unguwar so mai gari gaskiya studio kalangu ina jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai musamman ma da wani sabon shirin da kuka samu na sha zuwa sha biyu wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai ubangiji allah ƙara hazaka kuma abin da ya ƙara bani shawa a wanga studio kalangu saboda a kullum kuna barke gaskiya komin ɗacinta dushin tsoron ku kawai shi yasa wallahi kuke birge ni suna na umar musa eh, nan garin kwanni ina sauraron radio kalangu eh, bisa ga abubuwan da aka yi lalle abubuwa na masu mahimmanci saboda abubuwa na waɗanda ni kanka yana ina sauraron su shi na waye mutane kanu sosai da sosai saboda haka na radio kalangu muna jinjina mishi muna yabo ne ɗari bisa ɗari to muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na radio kalangu muna fatan allah shi kama muna muna samu muna watsa abubuwan da mun ka gani muna haɗa muku kuna sawa sunana ahmad Asala ina garin ciro shirye-shiryen da ke burge ni cikin studio kalangu akwai labaransu wanda suke wannan ina jin daɗin su sosai da kuma na fada wannan da ake yana ƙayatar da ni ina jin daɗin su babu gyara cikin abubuwan su ina musu ƙarfin guwa allah taimaka musu su ce gaba da aikin su muna shuraren su gaskiya muna jin daɗin labaran su in bin ji labaran su ban ma jin daɗi sunana jana ina sauraron studio kalangu garin ciro biro mm. shirin mata wanda suke yi ranar talata da shirin su na matasa samji da dimash yana kayatar da ni muna jin daɗin haka ina jina musu umar awais a ciro shirin studio kalango yana kayatar da ni sosai surtout les samedi inda ake akci de jeune da wannan ga shirin da kuke yi na message zoditar shi ma yana kayatar da mutum dan kana nan ciro sai ka ji murya ka hanya kenan kowa ya san da ciro tana existe shirin mata na kwace shi talata shi ma gaskiya yana fadakar da su lokaci hamad sanda kolbu wata kulu igirajo kalangu hangan za dai on zero wani riga hangan da lasar gurgu wani wani ga hangar wata kulir go gini hangar i gira go kani se a jabu ma wani go gini hangar di won kundi gudu rajo kalango am am kai dai ingi bonga sak i go hangana se dum salmada da ma sire gira ka go gete wallahi a kani sai gum gumo a gi bonga iye kwara a gi la kalan ye kwara ir sabura rajo kalangu se gum gumo ne eh, sunana rabi male landa stylist uh, modelist cikin jihar tawa studio kalangu ina sauraron shi kwarai kuma abubuwan da suke nan suna yi suna burge ni kwarai saboda kaga suna iya maka abinda da kuɗin kama baka ibe a yi maka shi tunda ka na ɗai sun taɓa zauwa ta rana sun ka ɗauke ni bisa kan aiki na sun ka min tambayoyi ayi ɗai ayi biyu kuma na ga mutane da dama wanda sun kai ma wannan abin to wannan abin idan ka ce ka zo ka biya a yi maka shi ba za ka iya ba ka gani wannan abin vraiment yana da amfani kwarai bisa ga abin da suke nan suna yi duk abin da suke yi abu ne mai ma'ana saboda wata rana ina ma kallon shi na ga wasu mutane an gwade su biskan wasu aika wanda suke yi kaga wannan ibadan dalilin ga studio kalangu ba ba za mu iya ganin su ba kuma ba za mu iya sani an suna wannan aiki ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées des questions, des suggestions, tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalongo, Au micro, c'était Fanta Chamsou et moi-même Salamot Kadiri. Je vous retrouve ce soir à 17h pour le journal en français. la technique, c'était Amina Hassan et Adam Adouaki à l'édition.